on va <laughs> faire vite par rapport à euh, euh, l'émission euh, Sans que manquer, voir si ça m'endortait l'éducation, Nous gis résultat nous on a vu Bassirou Diomaye Faye qui remporte cette victoire au Lama avec 60 avec 54,28%. virgule bonne def par rapport à déroulé élection mais surtout résultat et cette victoire bi nga le PASTEF en tête Bassirou Diomaye Faye Yes, il faut d'abord euh, saluer l'organisation transparente des élections. Mhm. Les élections, nous avons organisé, amna transparence pour yato parce qu'effectivement, -hmm. que mhm. effectivement, euh, dégouñu ci mhm. euh, de part et d'autre. nit ni nan euh, li dox naag lii doxul def donc les bureaux le matériel a été acheminé à l'heure les bureaux ont été ouverts à l'heure, ont été fermés à l'heure. Et chaque candidat a eu son représentant dans les différents bureaux de vote. Donc, lolo c'est d'abord cela à souligner. Il faut féliciter le ministre de l'Intérieur, la direction euh, générale des élections, malgré tous les critiques qui ont été portées euh, sur eux, la élection et mm -hmm vais euh, analyser spécifiquement résultat yi mhm. da féliciter d'abord le PASTEF le PASTEF qui est un parti effectivement qui a cru et qui a lutté qui a lutté hein mhm. qui a lutté taxawu participer à l'animation de la démocratie ba affaire bi tollu fi mu c'est-à-dire mm. ay détention amna ci ay euh, affaire yu fi quoi c'est-à-dire, euh, ils ont traversé des moments très, très difficiles, mais ils ont tenu le coup. Mais également, remercier la société civile qui s'est mobilisée mhm. euh, de manière très, très efficace, c'est-à-dire euh, de manière intelligente, surtout affaire en termes de nos citoyens, à chaque fois que l'État vous poser un acte, la société civile et certains activistes se sont levés pour éclairer les Sénégalais qui l'ont ou ça a permis de sensibiliser beaucoup de Sénégalais pour nous mobiliser ou pour protéger la constitution mm-hmm. donc loolu lu ñuy rafetlu di au regard des résultats c'était une élection c'était pas une élection entre plusieurs candidats c'était une élection entre deux candidats mm. c'était une élection entre entre entre Bassirou Diomaye et Amadou Ba donc les résultats ça, les résultats c'est-à-dire on s'est dit, les, électeurs se sont dit, écoute, hein, euh, il y a une seule personne à sanctionner, c'est Macky Sall. C'est Macky Sall qu'il faut sanctionner. C'est Macky Sall, Amadou représenté. Donc il faut vraiment euh, voter utile. Il faut voter, euh, il faut voter en sanctionnant Macky Sall. il faut voter en sanctionnant Macky Sall. Voter en sanctionnant Macky Sall, Indilini. Donc en fait, c'est une véritable défaite Amadouba, le candidat a été battu mais maintenant que c'est une défaite effectivement qu'on peut aussi attribuer à Macky Sall parce que c'est véritablement une défaite de Macky Sall. Votre sanction mais aussi est-ce que vous avez aussi euh, mm. vote d'adhésion à ce projet PASTEF oui oui oui parce que le PASTEF a réussi mm-hmm. a réussi effectivement à à à parler du projet mm. c'est-à-dire dañu dépersonnaliser affaire bi dañu mhm. jël affaire bi nekkatul Ousmane Sonko nekkatul Bassirou Diomaye Faye mais le mhm. projet mhm. ils ont euh, ils ont bien communiqué autour du projet ils ont bien vendu le projet et que yalla def effectivement que les populations ont adhéré à cela quand tu adhères à un projet tu quand tu adhères à un projet bien précis tu sanctionnes un autre projet c'est-à-dire boo nango len hmm. dafa am loy rejeter c'est-à-dire ñaar lañ la tégal bi la nangu d'accord ben nanguumako donc effectivement c'est-à-dire c'est les deux c'est-à-dire l'adhésion et la sanction la c'est c'est en fait l'adhésion qui fait la sanction mm-hmm. donc ci ça. et puis on est en train cette élection on est en train de finir avec une époque politique mm. avec une avec une certaine époque avec une certaine façon de faire et pour euh, Duguti, Herbe baisse c'est l'ère de la transparence, l'ère de la bonne gouvernance, l'ère de oui, les ressources au peuple, etc., etc., parce que c'est ça tout le contenu du projet. Et les électeurs ont cru à cela. Mm. Les euh, nouvelle ère bon, mon et euh, comme tu l'as dit à l'entame de ton émission tu mm. l'as dit en disant effectivement qu'il y a beaucoup de politiques qui iront à la retraite c'est effectivement vrai c'est-à-dire on est on est dans l'avènement du nouveau type de politique le pourcentage de Khalifa Sall, euh, avait, il se retrouve euh, quatrième avec 1,56%. Oui, c'est-à-dire... Ça t'interpelle euh, Oui, mais là, il y a eu un conflit entre, entre, Pastef et Tahaou. Oui. Et ce conflit n'a pas été favorable, effectivement, n'a pas, été, pas profité, n'a pas profité, n'a pas profité mm-hmm. à Tahaou. Parce que c'est le PASTEF qui a le vent en pourpre. C'est ah. le PASTEF, c'est au projet de PASTEF que, les, euh, que, les, la majorité des Sénégalais euh, euh, ont adhéré. Hmm. Lors indi effectivement ce rejet de toute personne qui rentre en conflit parce qu'avec le PASTEF. Donc en fait, c'est le PASTEF qui, désigne, qui crédite, qui donne le mot d'or, qui dit qui barne, qui barroule Euh, PASTEF valide valable, que valide ou valable parce que contexte c'est très contextuel c'est le mm-hmm. contexte qui le fait mm-hmm. et que ça a permis effectivement euh, ça a permis effectivement de dire écoute ni effectivement Dakar euh, ils se sont trompés. Pour ne pas dire médias. finalement avec euh, cet échec est-ce que mon carrément même son avenir euh, politique euh, euh, pour me rebondir, malade, pour il n'y Malal dina problème. oui est-ce qu'il n'est pas le grand pardon. oui Barthélemy en fait beaucoup ci effectivement li. di parce que Barthélemy sur cette affaire il est rentré en confrontation avec il n'a pas pris des gants. Mm parce qu'il est allé jusqu'à dire que dans trois mois, c'est moi qui vais sortir Ousmane Sonko, etc. etc. Et mm. finalement, ce pas, ça n'a pas été le cas. Même lui, Maki, en l'invitant au palais, en dialoguant avec lui, en discutant avec lui, en le recevant au palais, effectivement, euh, Maki, en fait, s'est joué de lui. Il lui a fait croire des choses, yo, finalement, ça, finalement, Amoul, quoi. Mm. Finalement, Maki s'est joué de Amadouba, s'est joué de, joué de tout le monde. Et jusqu'au bout, on dit on en arrive là donc en fait pour nga vous pour a comprendre trop à un certain moment mhm. pour justifier son audience avec Macky Sall mm. en justifiant son, son, son audience avec Macky Sall, il s'est entre guillemets moqué des autres. Et finalement, Lolo, ça a eu un coup. Et le coup, effectivement, c'est la chute de, de leur électorat. Tout à fait. Ma, euh, euh, Yangi Warne que Maki s'est joué avec Amoudouba. En quoi Maki euh, le faut avec Amoudouba Non, en fait, en fait, c'est une simple analyse, hein, elle peut être erronée. Allez-y. Chinimoko Guissé moi, en fait, on ne l'a pas vu le soutenir dans la campagne. Tout à fait, ça c'est une réalité. Oui, on ne l'a pas vu l'accompagner, Bon. La euh, question que nous a posée même ça, est-ce que finalement c'est le candidat Oui, on n'a même pas vu effectivement, on n'a même pas vu effectivement une véritable mobilisation, un véritable engagement euh, des ministres et des directeurs euh, de Maquis avec Amadou, ils l'ont fait à la dernière minute. Mm, mm. Amadou comptait peut-être sur le soutien de Maki, il ne l'a pas vu, etc. etc. L'OLIEP, c'est des éléments qui nous permettent effectivement d'analyser, de, de, dire que Amadou a été lâché. Amadouba qui se retrouve avec 35,79%. Est-ce euh, que ce score, vous euh, c'est euh, vraiment le passé passif du président de la République Macky Sall, la démocratie, répression, yek, les libertés individuelles, et même ces histoires avec Ousmane Sonko. Est-ce que Kenen Benen candidat, aussi Malal il peut faire mieux que ça Non, xëy sax Amadou la motax am. 35 si quelqu'un d'autre était là du am 35. parce que ñom ñep en fait ils auraient hérité. Mhm. du bilan immatériel de Macky. parce que les Sénégalais ont montré à travers ce vote. moy mm. meun nga ñu défaral ay tëli meun nga ñu jox ñu lekk ñuy nan mais da ñuy respecter quoi. c'est vrai si tu ne nous respectes pas on te respecte pas. Mm. et dafa am un travail aussi en amont qui a été fait c'est-à-dire ah. mhm. c'est-à-dire depuis 2011 avec la naissance du mouvement Yanamar, mm. l'émergence du nouveau type de Sénégalais. tout ce que Yanamar a théorisé comme concept, le nouveau type de député, le nouveau type de politique, le nouveau type de président. Il y a même une compilation Bouyana il y, a une chanson qui s'appelle Nouveau type de président. Finalement, c'est slogan et, et, euh, Bassirou Diomaye fait son équipe ah ben, vraiment ils vont <laughs> vers ce nouveau type de Sénégalais. Ouais, en fait, je veux dire en fait le plus important. Oui. Moi euh, moi en fait nit ñi inscrire mhm. xam par exemple affaire mën na tuddu NTS tuddu NTS en 2012 mhm. tuddu le projet en en 2024 parce que l'Union a séparation des pouvoirs l'Union tel séparation des pouvoirs rationalisation des euh, des finances de l'État etc. Euh, L'Union, et effectivement appel à candidature tout ça mm. euh, beaucoup de ci li Y'en il y a longtemps effectivement donc c'est important c'est on est dans un renouveau politique et une alternance générationnelle vous parlez d'alternance générationnelle euh, certes à euh, Bassirou Diomaye Faye moo am li nga le vent en poupe pour ne pas dire euh, Pastef mais on a vu un autre jeune Pape Gibril Fall à ses débuts